À l'Assemblée nationale, la loi des finances rectificatives pour l'année 2017 a été votée par 124 voix pour et 30 contre mercredi 7 juin passé. L'augmentation de plus de 45 milliards sur le budget initial a constitué le motif principal de cette loi. Ainsi, le budget initial qui était de 1809,49 milliards passe à 1855,36 milliards de francs CFA. Au plan judiciaire, l'on note la condamnation mardi dernier du président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FR DDR, Amadou Jibo Di Max. Ce dernier écope d'une peine de trois mois de prison avec sursis. Et à Agadez, le tribunal de grande instance a rendu son verdict le jeudi 8 juin dernier concernant Insar Abdraman, acteur de la société civile et membre de la révolution démocratique. Il est condamné à six mois de prison avec sursis. Au plan social, la Fédération nigérienne des personnes handicapées a fait connaître son mécontentement et son désapprobation de la création d'une direction d'assistance aux groupes vulnérables en lieu et place de la direction direction en charge de la promotion des droits des personnes handicapées et de la protection des personnes âgées. Alzuma Idrissa, président de la FNPH, conteste cette nouvelle appellation et l'idée d'assistance qu'elle recouvre. On parle de direction d'assistance aux groupes vulnérables, alors qu'avant l'appellation c'était la direction qui est en charge de la promotion des droits des personnes handicapées et de la protection des personnes âgées. Et nous, nous voudrions que les autorités sachent que nous voulions que la question du handicap soit vue sous l'angle du droit et non de l'assistance et non de la mendicité et non de la pitié. Le Niger a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées en 2008, juin 2008, en s'engageant à respecter les droits de la personne handicapée, la personnalité de la personne handicapée. Nous ne pouvons pas comprendre que maintenant nous soyons en train de marcher à reculons. Enfin, volet sécurité, lundi 5 juin passé, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel ont tenu leur troisième sommet à Bamako au Mali. Pour l'occasion, ils ont reçu la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. Il a été présenté le projet de création de forces armées conjointes chargées de la sécurité des frontières communes des pays membres du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le plan de création de forces prévoit un effectif d'au moins 5000 hommes pour combattre les groupes djihadistes. Au sortir de ce sommet, l'Union européenne a promis d'allouer 50 millions d'euros pour appuyer la force conjointe du G5 Sahel.